Le marché d'eau les deux Zender reconstruit récemment sur une superficie de 8,48 hectares attire un grand nombre de commerçants tous se bousculent pour obtenir une boutique et pour faire des affaires. Nous avons eu des boutiques pour ceux qui n'en ont pas. Je crois bien que c'était le problème de spéculation. À la date d'aujourd'hui, plus de 1800 boutiques sur les 2152 ont été distribuées, soit un taux d'occupation de 84%. Le processus d'attribution des boutiques est participatif et inclusif, a affirmé le délégué général du marché Dolé Elage Soumaila Sani Abdou. On s'était dit qu'on allait servir les anciens locataires du marché en on s'est adressé aux différents syndicats de commerçants pour nous dresser la liste de ceux qui étaient dans le marché de lait et qui désirent louer une boutique. Face à cette course pour obtenir une boutique, certains commerçants encore sans boutique expriment leur mécontentement. Il n'y a pas eu de quitter. Ici, nous avons des boutiques et de le vieux marché aussi. Des accusations de spéculation sont signalées par ces commerçants qui n'ont pas encore obtenu de boutique. Faux rétorque l'administrateur délégué du marché doit les rénover. Il y avait des gens où, quand les listes se dressaient, ils disaient que bon, le marché de toutes les façons, ça ne va pas marcher. Ils ne se sont pas fait inscrire sur la liste. Et aujourd'hui, qu'il y a un grand engouement dans le marché, donc ils viennent dire ce qu'ils avaient. Plus de 5000 commerçants profiteront de ce joyau, sans compter la centaine d'emplois qu'il générera. Précisons aussi que le hangar central, censé recaser les marchands des produits frais, fruits, légumes et viandes, n'est jusqu'à présent pas achevé et les commerçants continuent de s'interroger sur la date de sa finition car la mairie a donné un délai pour quitter le site d'emprunt qui expire dimanche 30 septembre.